si suñu attaque bi laal ko un peu euh, attaque bi dañuy wax tout d'abord Boulaye Dia c'est fait presque fait signature moo des du côté de Lazio de la soit mhm. mhm. te moom peut-être la bëgg mais nee na mujj na d'accord pour dem Lazio la soit Lazio nag mercato bi si Boulaye Dia moom si gën a franchement parce que man Boulaye Dia gënoon na fi def saison bu extraordinaire gars yëpp di xaar ay MTR ay équipe yu mag on attendait Boulaye nous ñu ngi ko gisoon ci mais aussi il est il était temps peu importe à fu mu dem. il était temps de def changement. parce que ça, Salvatierna la yàgg na de te doxul. il était temps de changement dem ci benen club. Mhm. donc on souhaite bonne sens mhm. pour ce nouveau club am bu dee aussi. Mhm. donc Lazio aussi mu peut être très intéressant peut être li nga xaw a encore mooy li mu jotee entraîneur mu boycotté ko écarté ko. donc si c'était pas ça je pense que donne na dem Inter bi ngay wax. mais comme l'année dernière mu ngi woon Ligue des Champions gën un très bon ça peut être un très bon choix pour pour pour décoller sa carrière. donc on va parler euh, aussi de Iliman Ndiaye tey la information bi génn. oh j'ai ai vu ça. voilà Everton insiste pour avoir Iliman Ndiaye. waaw Marseille nag dañoo am entraîneur bu bees désert bi désert philosophie c'est c'est Pep Guardiola teg bal bi c'est des jeunes si c'était Conceição Conceição mën naa d'accord peut-être mu jóge Marseille mais vu que c'est entraîneur boobu dafa football yow tu le vois Everton. sànq sànq ay biir wax wax naa la Iliman Ndiaye il est né pour en Angleterre nga may reetaan nga naan non non non. mais man moom si sama choix man su ma sañoon. Mhm. Iliman Ndiaye Angleterre lay football parce que mhm. seen style de jeu la yore. Mhm. moom France boo seetloo dañ ko enfermé. Iliman il est pas libre comme il le faut. donc man su demoon Angleterre man je le voyais très bien parce que. boo fàttalikoo. waaw fépp Sheffield United la commencé. te c'est à. Angleterre waaw donc je le vois bien en Everton ñun ñu am suñu Iliman Ndiaye mu nekk international. au Sénégal yëpp bëgg nga leen gis Everton. bien sûr si club Gana Gueye Lamine Camara nga bëgg si teg Iliman Ndiaye. Ah pourquoi pas. mais mais aussi Marseille comme ni nga ko changement de coach aussi. Mm. changement de coach bi mën na jàppale. Iliman Ndiaye ci lu baax a baax donc jëru yàkkam ci quoi. surtout que entraîneur bi dafa mm-hmm. bëgg genre profil Iliman Ndiaye. Iliman waay maanaam boo technique boo mm-hmm. mën a football gis nañ ni mu liggéey Brighton moom genre entraîneur yooyu la quoi. Mm-hmm. bu fekkoon beneen entraîneur Porto bi la ko dafa a xeex dafa bëgg a mbëkkante par rapport ak Iliman match pas quoi. la mariage boobu du dox donc donc Everton moo ngi mhm. pourquoi pas mais man je me dis deuxième année à Marseille avec désert bi. Ouais, ah bon ça peut intéressant quoi. Mhm. on va voir la suite. na def très attention na def ndànk parce que. affaire bi ci carrière ça dépend ci choix bi muy def ci mercato bi ni mm-hmm. donc il n'a qu'à faire très attention mu xalaat bu baax mm-hmm. amna match xol bi mom mu ngi marché c'est c'est ça va ñu jéxalé par deux jours kenn ki di Jackson Jackson dañ né tay di la information gën mais nak apprendre avec des pincettes manam voilà voilà voilà voilà Ça pour ça, voilà maintenant dañ né mom depuis le départ de Pochettino il se voit un retour du côté de Liga espagnole mais cette fois-ci Atletico de Madrid bëgg na ko jël yow ban xalaat nga am si Jackson par rapport à cette info là. Hmm, en tout cas Jackson man su ma sañoon il va rester là-bas il va hmm. rester à Chelsea mu xool beneen coach bi ban projet lay andi. parce que Jackson bu ñu xoolee fin de saison bi il a fait un très bon saison. Mhm. il a fait un très bon def na lépp lu mu mën. même si Pochettino dem na. waaw gàllan dina ko andi tuuti gàllankoor. parce que Pochettino ni mu ko bëggee. on ne sait pas si confiance bu am on ne sait pas si le nouveau. dina amaat même confiance ci moom aussi. Mhm. parce que dégg naa aussi Chelsea moo ñu def ay mercato. pour ay attaquant ay Osimhen ay genre yooyu noonu. mais Jackson xale la. Mhm. il a de l'avenir devant lui. man je le vois je le vois plus en Espagne. parce que déjà ñam na Angleterre ba pare. ñam na Chelsea ba pare ça marche bien quoi là-bas ça marche bien. Et Chelsea aussi Pochettino commencé à créer quelque chose autour de lui. fin mm-hmm. de saison il a fait une excellente saison. Jackson modeste Chelsea c'est le meilleur choix. Mm-hmm. pour moi pour moi donc Chelsea moi, ça je suis d'accord pour que me reste à Chelsea maintenant moi, comme nous le projet avec le nouveau entraîneur, utiliser. la confiance, ça se travaille, ça se mérite. C'est à lui de se. En l'entraînement, on entraîneur, c'est moi le soir numéro 1 de Chelsea. Maintenant, bon, on va voir la suite. Donc, comme nous c'est des infos à prendre avec des pincettes dernière information c'est Sadio Mané Al Nassr dafa bëgg a Sadio Mané manam ñu ko bëgg libérer. c'est fiable ça voilà bon c'est fiable vu que euh, Mourinho insiste pour am du côté de Turquie Fenerbahçe et ça à chaque fois il insiste donc il y a un réel il y a deux propositions pour Sadio l'équipe de Mbaye Diagne bi xam na deuxième division Arabie Saoudite la nekkoon première division bëgg nañ ko y a le choix de faire son combat en Europe du côté de Turquie L'orgue pour Sadio en tout cas je suis tellement déçue et c'est tellement injuste pour notre Sadio parce que def na Bayern Munich bonne saison mu fa bëgg def Al Nassr saison mu fa c'est tellement injuste. Mm-hmm. man je disais bien que Al Nassr dañ ko waroon bay ba contrat parce que Sadio Mané tamit il a pas fait un mauvais saison. que ça auprès de Cristiano Ronaldo. Mm-hmm. il a pas fait un mauvais saison il a fait tout ce qu'il pouvait. même si dañ ko eu may ben temps d'adaptation parce que Chris tamit première saison gisoon nañ c'était pas mm-hmm. facile. donc parce que jeu bi dafa changer entre Europe jóge Europe ñëw Arabie Saoudite dafa changé complètement mm-hmm. Mm-hmm. donc je me disais que bien mënoon nañ ko may sens boo nekkoon agent wu Sadio Mané je discute avec eux ñu tek ben programme ñu jéem arranger arrangé mm-hmm. mu eggale contrat contrats foofu noonu ci Arabie Saoudite man ci li gëm day top, day top, day top. Al Nassr ko je pense pas que voilà amna na ku may tout dans ci commentaire dina xam bobu mu ne ma Mohamed, sa xaalis xaalis dama xam ne Sadio Mané il n'a plus rien à prouver en Europe franchement dem dem dem tu la la koy yokk jël championnat de la je pense jël premier ligue jël nga coupe d'Afrique jël nga tous ces trophées là euh, dem nga sax ba deuxième ballon d'or au mondial xam nga Benzema la raw qu'est-ce que tu as prouvé quoi à part ñu si sélection coupe du monde ñu fa def donc pour moi, je suis d'accord avec Zeyna mettre un projet bien ciblé bien clair mu toog à Al donc mbokk yi li moo nekkoon xibar yi mercredi je pense que ça a été intéressant pour vous ci commentaire wax le ma si vous xaar ak seen gis-gis yu jaajëfal leen wax leen ba benen sur seen football TV bye bye